alaikum chers abonnés j'espère que vous allez bien. ci jàmm bu baax alhamdulilah Fatou directrice au cabinet foncier immobilier Toumaï Group Toumaï Group di entreprise bi nga xamante ne day yëngatu ci wàllum suuf ak ci de defar kayit kër yi donc aujourd'hui, nous doon waxtaanee ci li nga xamante ne inauguration terre bi mooy démarrage bi nga xamantene eh, décembre bi ci fin bi ci lay commencé daw. di jóge Dakar centre ville di dem ba jam ñaajo mu nekk loo xamante ne tey yàgg nañ ko xaar nekk loo xamante ne tey lu ñu rafetlu la parce que day impacter considérablement ci euh, dem beeg dikk bi Dakar xat na ñëpp ñu ngi jógee ci périphérie bi c'est-à-dire soo demee ci côté jëm Kër Massar Rufisque dem Bambilor ñëpp foofu la ñuy jógee di dem ci ci biir Dakar pour wuti foofu xëy di liggéeyi foofu noonu mu nekk loo xamante ne tey TER bi su ñëwee day gën a yombal dem beeg dikk bi en considération nag ak prix yi nga xamante ne moom la ñuy appliqué di ñaan côté boobu rek euh, ñu tenir en compte le sénégalais euh, moyen nga xamante ne euh, moyen yi demeewul noonu mais fi mu bëggoon a seen attention mooy impact bi muy am ci wàllum suuf. parce que soo jëlee dem beeg dikk bi rek mënoo mënoo parce que mënoo wax ci dem beeg dikk bi sans pour autant nga xalaat ban impact lay am ci wàllum suuf terre bi ñu bëri biñ koy doon nas xalaatuñu woon ne dina mës a am mais yàlla réaliser na ko ñu koy sant koy sante bu baax mais fi ne nii mu ngi ci ci première phase bi mu ngi yem ci Dakar Diamniadio mais fi ma bëgg a attirer seen attention mooy du fa yem du fa taxaw day day jàll di jàll day yégg fi nga xamante ne mooy Thiès Dakar Thiès fi nga xamante ne mooy Dakar Mbour fi nga xamante ne Dakar Saint-Louis peut-être plus tard Dakar Kaolack Dakar Fatick Dakar Diourbel Dakar Saint Dakar euh, Casamance hein, lier toutes les régions parce que en fait développement noonu la day dem mais étape par étape tey mi ngi Dakar jam ñaajo suba day dina lier toutes les régions du Sénégal mais fi nga xamante ne moom la fay waaj jaar fi nga xam ne foofu lañ aménager pour mu jaar fa foofu yëpp tey soo leen ko considéré mu nekk benn potentiel boo xamante ne mën ngeen faa war a jënd seen suuf xaar wala ngeen jënd seen ngeen commencé aménager ngeen commencé def seen projet ne par exemple tey su baree dem Dakar Thiès dina jaar par Dias dina jaar par Sindia dina jaar par par plusieurs secteurs dina jaar foofu yëpp ngeen profiter yéen tamit ngeen xool fan ngeen mën a jënd seen suuf di secteur yooyu parce que infrastructure moom mooy yombal de infrastructure moom mooy atti moom mooy développer secteur yëpp fum dem rek entreprise yi dañuy ñëw fu dem nit ñi dañuy tabax dañuy dëkk si école yi dañuy ñëw mo yeneen moyen day ñëw hôpitaux yi dañuy ñëw yow loolu yëpp ngeen di sektori ngeen bàyyi xel ci secteur yi mel ni sinja secteur yi mel ni Yeen secteur yi mel ni Thiès secteur yi mel ni Mbour Malikunda parce que soo nee Mbour déjà alentour yi moo desati mais Mbour centre daanaka c'est le même prix qu'à Dakar cher la def wala bëreetul mais soo jëlee fi mel ni Malikunda nga xam ne c'est à deux pâtés de des na encore de de de la superficie des na a nga fa am 300 mètres carrés et ça l'avantage en fait c'est que nous nonou ay 150 mètres carrés comme c'est le cas à Dakar C'est des parcelles minimum de 300 mètres carrés des fois même nga 500 mètres carrés pour le moment à des prix raisonnables 1 million 500 1 million 700 si c'est 500 mètres carrés peut être 2 millions mu nekk lo xamantene tay aujourd'hui soko jëndé jëndee ko mës a réccu juste pour habitation moins ñu déjà à Malikonda, il y a l'autoroute à péage malikonda Dakar c'est 30 minutes en voiture si vous passez par l'autoroute à péage si c'est si bi su da ngay a Mbour ci dem Dakar dem liggéey Dakar tranquillement c'est c'est pareil qu'à encore muy ay infrastructure yoo xamante ne tey day impacter considérablement suuf ngeen bañ a xaar ba lépp yemb ngeen di door a daw nag di jënd parce que en ce moment là dafay cher en ce moment là day fekk prix yi dootoo leen mën a laal day fekk jënd nañ lépp parce que présentement sax lépp a ngi commencé wàññeeku bu baax a baax a baax l'offre commence à à diminuer li ci des bëriwul li ci des dafa commencé cher il y a quelques années par exemple le monde, malikunda un hectare on nga ko 3 millions 4 millions un hectare en l'espace de 5 ans un hectare c'est 15 millions minimum c'est 10 millions minimum C'est pour nga am ko fait dafay 15 millions la ñuy pour un hectare pareil pour les autres régions pareil pour Yéden, pareil pour Yéden, mais ñi nga xamante ne tey ñoom suivre rythme de d'aménagement bi rythme d'infrastructure yi avons ñu à commencé comprendre nous avons ñu à commencé préparer wu avons ba nga xamante euh, commencé na installer ñu commencé parce qu'en ce moment là kenn du ko mën a laal. Allô, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos activités se portent à merveille. Je suis Fatou Diouf, directrice du cabinet foncier et immobilier Touma Group. Alors, dans cette chaîne, je développe des thématiques très intéressantes avec le contexte immobilier actuel ici au Sénégal. Et dans cette euh, vidéo aussi, je voudrais euh, partager avec vous les activités du TER qui vont démarrer en fin d'année, c'est-à-dire euh, en début d'année 2022. Alors, le, le, TER va commencer à, assurer ses liaisons entre Dakar et Diamniadio. Mais ça, c'est en fait. On va féliciter le président Macky Sall pour sa vision du transport et sa politique de désengorgement du, de Dakar. Aujourd'hui, Diamniadio constitue une plaque tournante du Sénégal et la future ville, je dirais même la future capitale du Sénégal. Et ça commence maintenant à se... tout commence maintenant à sortir un peu de Dakar euh, comme c'est le cas de, l'administration sénégalaise, et ainsi que d'autres infrastructures de taille. Alors, son impact dans l'immobilier, dans le foncier, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, le terre se, limite à Diamniadio, mais l'objectif, c'est qu'il aille jusqu'à jusqu'à plusieurs régions, c'est qu'il assure plusieurs liaisons euh, dans toutes les autres régions du Sénégal. Hmm? À court terme, ça sera peut-être Mbour et Thiès, Hein, et dans, dans le long terme, pourquoi pas jusqu'à Saint-Louis, jusqu'à jusqu'à jusqu'à Fatik, jusqu'à Tourbel, jusqu'à Gigenshore. Hein. L'objectif, c'est d'assurer plus de mobilité dans, dans le secteur du transport. En conséquence de cette observation que je viens de faire, je voudrais attirer votre attention sur certaines zones parce que la présence des routes, hein, des moyens de locomotion comme euh, le terre qui va arriver bientôt jusqu'à Thiès, jusqu'à Hambourg, c'est que ça va impacter fortement sur le foncier. C'est-à-dire que là où toutes ces infrastructures-là sont prévues, là où elles vont être réalisées, le foncier va connaître un boom. Alors, je voudrais attirer votre attention pour que dès à présent, que vous vous prépariez euh, à, acheter vos biens aussi, à acheter vos biens qui sont pour le moment accessibles. Je dis bien pour le moment, parce que même dès à présent, certaines zones qu'on commence maintenant à connaître un certains sort qu'il n'y avait pas sur le, qu'il n'y avait pas il y a il y a de cela quelques années sur le prix du mètre carré. Alors, pensez des zones comme Sinja, des zones comme Jas, des, zones comme, comme Yen vers les autres régions, comme Thiès. C'est fondamental. À chaque fois, j'attire votre attention en vous disant que le futur de, le futur de l'aménagement du territoire actuellement, c'est l'axe Dakar, Thiès-Mbourg. C'est le centre, en fait. L'axe Dakar, Thiès-Mbourg. Donc, il n'y a plus de, des zones éloignées maintenant entre, dans, dans, dans cet axe-là lorsqu'on vous présente des offres immobilières intéressantes et sûres, des offres sûres, n'hésitez pas si vous avez les moyens à acheter. C'est demain que vous allez comprendre. Mais si vous attendez jusqu'à ce que tout soit installé, si vous attendez jusqu'à ce que le terre arrive à Hambourg, par exemple, ou qu'il arrive à Thiès, comme c'est le cas de l'autoroute à péage, ben nécessairement les prix vont gonfler et peut-être que certains n'auraient plus les moyens d'acheter. Pour le moment, dans ces zones-là, vous pouvez avoir en 300 mètres carrés, par exemple, à Hambourg, surtout du côté de Malekunda, à 1 million, 1 700 Mais imaginons que le terre arrive à Hambourg. Et ça, c'est pour bientôt. Mais vont, le foncier va connaître un boom. C'est ces 300 mètres carrés qu'on vendait à 1 500 Vous les achèterez peut-être à 4, 5, 6 millions, voire 10. C'est les, infrastructures qui propulsent le développement qui font bouger les choses. Les gens vont bouger, les gens, les gens vont suivre et la demande va être plus forte que l'offre. Ce qui reste devient de plus en plus cher. Alors c'est dans ce cadre-là que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui en vous disant que la terre arrive. On s'en félicite et on prie pour que bientôt que ça puisse être étendu à d'autres régions comme Thiès, à d'autres régions comme Saint-Louis, comme Kaolak, Fatik, d'autres régions comme Djurbel, Jigenshore, dans toutes les régions du Sénégal. Mais pour ça, il faudra que vous aussi vous vous prépariez. N'attendez pas que tout soit installé. Dans ce cas-là, ça sera super cher d'acheter un bien immobilier. Mais soyez visionnaire, achetez et attendez toutes ces infrastructures-là. Vous ne le regretterez pas.